de sur la cause du handicap en tout cas, par rapport à une action concrète qui est vue. il y a handicapé de côté euh, Mom harul ñu signer convention harul nous signe décret d'application loi d'orientation sociale euh, Moussa Diop dès que nous commencé à émettre carte d'égalité des chances il a pris sur lui de faire cette action là en faveur des personnes handicapées en plus des recrutements qu'il fait parce que recruter na ay handicapés au niveau de la société Dakar Demdik, nous ñun nak xamuñu ko mais par rapport à notre cause en tout cas nous l'avons senti euh, action concrète bi nga xamné ne gis naa ko ci moy li maître Moussa Diop defoon manam handicapé bo am carte d'égalité des chances nga dem au niveau de Dakar Dem Dikk direction bi ñu defal la ben carte bo xamné di nga voyager gratuitement dans les bus Dakar Dem